chers camarades. Je m'appelle euh, je en classe euh, de troisième. chers camarades, je vais vous donner un conseil. Bon, mes chers camarades, nous sommes dans la classe de troisième. On n'est pas, ce n'est pas comme euh, la sixième cinquième, ni quatrième. Donc, mettez-vous au tableau. Donc, voici euh, ma soeur qui s'appelle Hélène euh, Isaac. Donc, elle va se présenter devant vous.